La situation actuelle du football nigérien est déplorable. On ne peut espérer avoir des bons résultats avec des joueurs pas soutenus financièrement et moralement. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple des petites équipes qui émergent, on constate qu'il y a bien un programme qui a été mis en place. Et ces deux échecs lors des éliminatoires Cannes et mondiales viennent confirmer la crise qui vit notre football il y a presque une décennie. Globalement, on est satisfait de voir que lors du tournoi de Nouakchott, le sélectionneur est parvenu à construire une équipe admirable à regarder. Certes, ça importe peu. Ce que nous retenons, j'insiste, est qu'on a vu du beau jeu, du pressing, des courses et de la continuité. En un mot, on a vu une équipe qui joue comme un club globalement, on est satisfait